C'est une formation qui va durer 10 jours. En 10 jours, elle va apprendre beaucoup de choses. Actuellement, en 7 jours, elles ont appris au moins 17 variétés de transformation agroalimentaire. Elles ont appris à faire le couscous avec euh, du, maïs jaune blanc, avec la farine du maïs, le couscous du riz. Il y a le dégué 2000, moni 2000, il y a danwake, avec euh, un simple, donc euh, avec le haricot simple. Il y a un waké avec du blé. Il y a un wake mélangé avec du manioc. Cette fois-ci même, on a même initié le couscous de la pomme de terre et du patate douce. Parce que nous avons vu que au niveau de nos régions, on produit beaucoup de la pomme de terre et de patate douce. Mais à la fin, ça se gâte mais aujourd'hui, Dieu merci, vous avez le couscous de la pomme de terre et du patate douce devant vous qui peut rester jusqu'à deux ans. Après cette formation, le FAPA a tout financé. Elles ont même leur kit. Donc maintenant, le groupement Zumunti a presque tout en ce qui concerne la transformation agroalimentaire. Après ce qu'elles ont appris, elles vont continuer parce qu'elles ont tout ce qui concerne et l'équipement pour la transformation agroalimentaire. Donc, euh, elles vont continuer. Il y a des expositions. Actuellement, il y aura une exposition le week-end, s'il plaît à Dieu, qui va durer deux semaines. Une exposition au niveau du CEG 25. Il y aura une exposition des transformations agroalimentaires. Et Inch'Allah, le groupement de Bukoki, deux le groupement Zumunti, s'il plaît à Dieu, elles vont exposer leurs produits. Il y a aussi un autre groupement de, de, de, routes filinguées qui s'appelle Chetomata. Elles aussi, elles ont même bénéficié après la formation et le financement aussi du FOPA. Elles ont même bénéficié la fois passée lors du, de l'exposition du Sahel. Le FOPA a pris leur charge en ce qui concerne les stands qui a coûté plus de 500 000, le frais de taxi, et leur manger. Tout ça, c'est le FAPA qui a financé et après la formation. Et elles ont bénéficié, elles ont vraiment été gâtées et elles ont eu la vente. Et actuellement, ces femmes-là, elles ont continué à produire. Elles ont même leur propre compte maintenant au niveau de la banque euh, Bagri. Et s'il plaît à Dieu, c'est ce que nous voulons faire avec les, ces jeunes dames-là du groupement de, de Bukoki, 2. Qu'on arrête d'amener les pâtes alimentaires de l'étranger et que l'État encourage ces jeunes dames-là